Assassin Assassin Assassin Assassin Assassin Assassin Assassin Assassin Assassin Assassin Assassin Assassin On m'attend plus que Voilà. voilà, voilà, voilà. Oh, non, non, non, non, jamais, jamais, jamais. On n'est pas On pas fatigué. Attends, attends, viens, viens, on va t'aider, viens. Macky Sall, assassin Macky Sall, assassin Assassin Assassin Assassin Macky Sall, assassin Assassin Assassin Assassin Assassin Assassin Assassin Assassin mot pour mot là. Soutien, hein? Ah. soutien à Sonko, comment vous dites Sonko, président. Voilà. voilà. Assassin Assassin Assassin Assassin Assassin On vous attend pas derrière Ouattara Ouattara Assassin Ouattara Maintenant, on va faire chanter sans président. Sans président. Sans président. Sans président. Sans président. compagnie. Ah. Oh, Président Président Président Macky Sall, assassin Macky Sall, assassin Macron, complice Macron, complice Macky Sall, assassin assassin Macron, complice Macky Sall, assassin. Macky assassin. Macron, complice. Macron, complice. Macron, complice. Macron, complice. Macky le tyran. Macky le tyran. Macron, complice. Macron, complice. Macky le tueur. Macky le tueur. Macron, complice. Macron, complice mandats, ça suffit. Deux mandats, ça suffit. Macky Sall dégage. Macky Sall dégage. Macky Sall assassin. Macky Sall assassin. Macron complice. Macron complice. Son Sonko président. Son Sonko président. Son Sonko président. Sonko président. Sonko président. Sonko président. Sonko président. Son président. président. Ziguinchor résistance résistance y a résistance! résistance y a Voilà Macron assassin Macron assassin Macron Macron complice complice Macron complice complice Macron complice Merci Les frères, merci beaucoup Voilà Écoutez, bon. Il il Gigachon, résistance Gigachon, résistance Gigachon, résistance Gigachon, résistance Dakar, résistance Dakar, résistance C'est lui, résistance C'est lui, résistance Gigachon, résistance Gigachon, résistance Sonko, résistance Sonko, résistance Macky Sall, Macky assassin Macky assassin Macky assassin Mbacké résistance Mbacké résistance Mbacké résistance Mbacké résistance Douba, résistance Douba, résistance Douba, résistance Douba, résistance Macky assassin Macky assassin Macron complice Macron complice Ziguinchor résistance. Bignona, résistance. résistance. Sénégal, résistance. Sénégal, résistance. Sénégal, résistance. Sénégal, résistance. Macky Sall, assassin. Macky Sall, assassin. Macron, complice. Macron, complice. Sénégal, résistance. Sénégal, résistance ça suffit. Macky Sall, assassin. Macky Sall, le tyran. Macron, son complice. Macron, son complice. Macron, son complice. son complice. Sénégal, résistance. Sénégal, résistance. Touba, résistance. Touba, résistance résistance. Saint-Louis résistance. C'est lui résistance. Fouta résistance. Fouta résistance. Casamance résistance. Casamance résistance. Troisième mandat, non Doufi Ham. Troisième mandat, Doufi Ham. Macky Sall l'assassin. Macky Sall l'assassin. assassin. Macky Sall assassin. Macron complice président Son corps au palais Son corps président Macron assassin Macky Sall assassin Macron complice Macron complice suffit. Ce va le terroriste. Macky le terroriste. le terroriste. Macky le le force occulte. le force occulte. le force Antoine Antoine Domerem. Moussa Fall Domerem. Mariam Faye Domerem. Amadou Sall Amadou Sall Amadou Sall Amadou Sall Antoine Antoine Diom Domerem. Antoine Macky Sall doome ram Macky Sall doome ram Marème Faye doome ram Marème Faye doome ram Marème Amadou Sall dëmm Amadou Sall dëmm Amadou Sall assassin Amadou Sall assassin Sonko président Sonko président Marème Faye doome Diome yaay doomi raam. Antoine Diome yaay doomi raam. Antoine Diome dangay duul. Antoine Diome dangay duul. Antoine Diome dangay duul. Antoine Diome dangay duul. Antoine Diome assassin. Antoine Diome assassin. Antoine Diome dangay duul. Antoine Diome dangay duul. Antoine Diome dangay duul. Antoine Diome dangay duul. Tony dangay duul. Tony ñàkk jom dangay duul. Macky Sall assassin. Macky Sall assassin. Moussa Fall Domerem. Moussa Fall résistance Ziguinchor résistance. Ziguinchor résistance. Casamance résistance. Casamance résistance. Dakar résistance. Dakar résistance. Moutouba résistance. Touba résistance. Kaoulak résistance. Kaoulak résistance. Kaoulak résistance. résistance. Fouta résistance. Macky Sall mooy doomu Ram. Macky Sall Ram. Antoine Diome mooy doomu Ram. Antoine Diome mooy doomu Ram. Marème Faye dëmb la. Marème Faye dëmb la. Faye hippopotame. Marème Faye hippopotame. Macky hippopotame. Macky hippopotame. Amadou Sall hippopotame. Amadou Sall hippopotame. Amadou la. Aliou Sall dem la. Macky Sall dem la. Macky Sall assassin Macron, complice Macron, complice assassin Antoine Jom dangay Antoine Jom Antoine Diom, dangay Antoine Diom, Antoine Moussa Fall yaay doomeram. Moussa Fall yaay Sonko président. Sonko président. Sonko au palais. Sonko.